merci d'insister parce que apparemment nous de la presse on s'intéresse aux trains qui n'arrivent pas à l'heure mais nous aussi nous bàyyi xel def te jaar yoon mais nous bëgg poser jalon est-ce que motif nous ñu nous c'est valable et c'est pas valable Moi, li tax nit ñi recours ndax lu lan c'est des erreurs des coalitions et souvent même assumées et acceptées par les coalitions c'est un fait de départ. Hmm. dans un passé récent a quelques jours le même conseil constitutionnel a fait une décision pour rendre nulle la hmm. position de la DGE. Hmm. defal faveur une des coalitions. personne n'a critiqué. Vous avez fait ne faveur la. non moom lay ni positif. faveur la parce que naturellement les bi ont woon dem euh, la liste départementale de la coalition Yewi Askan Dina dinaa je développe. allez-y allez-y Moussa. Euh, dama mon ni man aussi bien la liste de Yewi que la liste de Benno Bokk Yakar devait être annulée parce que l'imam may may hmm. bien accepté la liste de Yewi à Dakar dañu sur deux principes le conseil constitutionnel de benn bi une règle d'ordre général en loi électorale tout ce qui n'est pas interdit. est autorisé est autorisé. ci beneen bi jurisprudence que ni la loi permet au conseil constitutionnel un droit d'interprétation. Mhm. Lol motax mu nangul la liste de Dakar bu ben bu yewi mu mhm. mais biñu ñëwé ci liste yewi proportionnelle comme liste Benno Bokk Yaakaar. Mhm. dafa évoquer vide juridique. dégager incompétence pour mon ci wax fële la la loi lui permettait moi droit d'interprétation Fi, mu dawal wax du juridique pour dire que ni loolu a andi à mon humble avis man ci loin d'être M. Mbaye un expert électoral le monde dul constater mhm. la décision du conseil constitutionnel ku on est dans un pays de droit aussi sañ connaît tout. ñaxtu sañ d'accord. ni d'accorduma sañ nga de content mais aussi dans les règles de l'art. Parce qu'on est dans un état de droit. Problème du moins, on a l'impression de vivre les mêmes attitudes que 2019. C'est comme si on est resté sur les mêmes fins, sur les mêmes refrains. En 2019, alors candidat, nous sommes d'accord, ni presque à l'unanimité, que le parrainage est bon. Dans bi ñu d'accord ñu bari ñu pas d'accord buñu dem mais buñu xey ku nek da dem outil ay parrainage dem les élection le même conseil constitutionnel y a une élection présidentielle qui deful recours <coughs> non lañ ko c'est le même phénomène qui revient Moi vais moi toute la classe politique que ni war nañu togat wartanat. parce que même le code toujours day dynamique dañuy constater des manquements mm-hmm. je parle à sa décharge dem il ci benn réunion il y def tirage 11 tirage pour pour passage ma fait que Benoît Sambe, am le mandataire de Yewwi Askan par rapport au délai de dépôt des parrainages Benoît a dit cette même question je l'avais soulevée mais l'opposition n'a pas voulu me suivre mhm. comme pour dire que buñu élection on a l'impression que dañuy marquer le pas lima je l'avais dit en 2011 quand j'étais porte-parole de l'UJTL quand il s'est agi de la candidature de Maître Abdoulaye mhm. J'avais dit je me suspends à la décision du Conseil constitutionnel Lima en 2019 quand la candidature de Pape Diop mon leader a été refoulée comme candidat sur les parrainages ma def recours mais je me suspends à la décision du Conseil constitutionnel j'adopte la même posture je n'agis pas par saison je n'agis pas par opportuniste même si la loi est imparfaite. waa ci ci ci ci ci ci ci lu principe yu gëm ni réew foog am ci même fekkee ni yoon yi dafa laaj l'abali parce que li sama doyen Gumba wax ni ñun ñëpp xamoon nañ ko conseil ña fa nekk nañ leen tàbbee ka mais mosul nekk suñu combat buñ ko fan dem donc en temps plus clair. en temps plus clair opposition bi. Mhm. dafa le départ dès le début. Mhm. gis bu ni éliminer gëm éliminer Serigne éliminer Fadel Barro woote won nañ dajé. Don na rafet lol. Gëm sa a fait le tour des forces vives de la nation. oui mais peut-être ñëwul ci les politiques mais gisuma ko ci ci politique yi. foofu tamit dafa dafa dafa téggi les politiques. Mhm. jàppoon ce ni ce combat warul sax. Fadel également fait le tour non à l'opposition ñu ce qu'on ñëw. Mhm. opposition mo moo comprendre que ni diviser on n'a aucune chance en rapport de force conséquent. mais maintenant y a une décision conseil constitutionnel bi a un petit problème vous la coalition. aucunement. aucunement ça ne nous concerne pas on peut être solidaire pour certains dafa mais ni nga un examen ñi le premier tour ak ñi le deuxième tour ñi le premier tour dañu dem préparer un dossier de bac jamono jii dit, xam nga man moi je fais pas dans la fumisterie politique. c'est clair bëggu neexal nit. la liste de Yévi est aussi concurrente la liste de Benno Bokk par rapport à Bokk Gis on est nous nous, mais toi di wax mais euh, combat de principe. oui combat de principe que la loi soit appliquée. combat de principe Moi, dañu joom les deux coalitions looluy dëgg. Mhm. wallu euh, yeewi il dafa juum. Mhm. Benno Bokk dafa est-ce que ñom ñu war ñen bàyyi ñu jall mhm. jappumako alors mais ça ne veut pas dire que da nga wara a jàppale ku juum aussi. alors c'est clair dinañ ci ñëwaat Bassirou euh, euh, coalition euh, Yewwi Askan Wi déjà ki nga xamné mom moy le mandataire national bi mi taxaw di wax à sa sortie du conseil constitutionnel bi nga xamné le greffe mo leen convoqué les mandataires mom limu wax mom moy dinañu dem yobbu mbir yi le droit n'a pas été dit mais dinañu dem pour def concertation ak les leaders de la coalition depuis lors plus de 72 heures xamuñu dara ban position coalition fim mu toll ni ngeen taxaw à part cette phrase bi nga xamné mom la lâché tay lan mo nekk tay état d'esprit coalition bi position wu coalition bi par rapport à li nga xamné mo tuké ci conseil constitutionnel. waaw position coalition Yewwi Askan que c'est clair c'est que dañu toll moment boo xam ni lépp lu la xeex mayul dara du la ko may et face à une loi injuste nul n'est tenu d'obéir tu me permettras de revenir un peu sur la décision du conseil constitutionnel j'ai dit à mes amis ab euh, étudiants juristes ñaari fan yi dama leen di tooñ ñi leen réew mi bu tàkkee yéen juristes yi ko taal parce que tay droit bañ lay jangal à l'université on a l'impression que si ñëwé ci pratique droit da fay changer mm-hmm. donte suñu ay at néew na à l'élection nañu ci élection yi mës am Sénégal ci ñu fekkee ak ci ñu dégg ci mësuñu gis décision yu melni parce que nak buñu ñu effectivement il peut y avoir des erreurs au niveau des coalitions mais la question qu'il faut se poser moi, est-ce que juumte yooyu dafa dafa wane ni yoon dafa war a éliminer sànq maa ngi tooñ kenn ni ko booy julli am na erreur yoo xam ne dañ lay faral di wax ni da ngay sa julli dafay yàqu da nga koy reprendre mais am na yoo xam ne ci biir julli dañ lay permettre nga mën ko corriger continuer donc c' est pas parce que Benno Bokk Yaakaar ou Yewwi Askan Wi commettre na une erreur rek que automatiquement sa liste doit être rejetée ce qu'il faudrait voir mooy que su fekkee erreur am na comme ni ko ñenn ji waxee quest que dit la loi par rapport à cette erreur yi nga xam ne ñoom la ñuy wax beneen bi nga xam ne euh, am naa ci problème mooy que tey jii boo demee ci code électoral en son article L 154 waxuñu les listes proportionnelles dama jàpp ni foofu boo demee ci ñaari alinéa yi njëkk dañ lay wax la liste majoritaire ak la liste proportionnelle donc il faut que ni leer mhm. parce que waxuñu ñu les listes proportionnelles ñu la liste majoritaire wax suppléance bi nan lay amee ni la liste proportionnelle wax aussi suppléance bi nan lay amee donc aujourd'hui on nous apprend que la liste proportionnelle mën nañ ko détacher en deux fële suppléant yi fait euh, ma euh, euh, titulaire ya ñu dellu tuuti ci ginnaaw Fatou Abdou ci élection locale yi ay jurisprudence yu fi am bu ci mel ni Kédougou Pikine si liste yu bari bañu koy rejeté dañ ñu wax ni yenn nombre de suppléants ya def matul et pourtant à l'époque on n'a pas éliminé nos listes au niveau des suppléants ou au niveau des titulaires mais dañu éliminer éliminé ay listes au niveau de Pékin, dañu éliminer éliminé ay listes au niveau de de de Kédougou parce que dañu ni suppléants yi matul donc décision yooyu nga xam ni moom la sunu yoon rendron démb mu ay le conseil constitutionnel dafa ñëw wax ñu le contraire muy loo xam ne daf ñu jaaxal parce que tey jii dañ ñu bëgg a jàng wan ni kat yéen ak Benno Bokk Yaakaar yéen a yem déedéet yemuñu parce que pour chaque chose il faut ñu xool lan la ci yoon wax tu me permettras de revenir sur la liste de Dakar jàpp ma ni defal nañu faveur y a aucune faveur qui nous a été faite c'est que dañu jàppoon ni DG waxul yoon ñu saisir le conseil constitutionnel. mais une liste qui ne respecte pas la parité quand même euh, ñu may la loolu nga xamante ne nous ngeen jàpp ne ku désisté mën na ne remplace ñu bari jàpp nañ ne foofu dañ leen neexal. non du neexal xam nga lu neexal pour après peut-être def len li nga xamantene ne. cette décision xam nga lutax du neexal leen sen liste euh, titulaire bu liste nationale bu coalition. xam nga lutax du neexal code électoral amna ko wax da fay évoluer code électoral Sénégal dama ci jël rek ñetti état dégg nga ñuy wax jurisprudence à ak bi ko parti socialiste investiré. Euh, PDS investir ko bi parti socialiste saisirait, d'un ko permettre mu déclaration complémentaire de candidature pour me a remplacer l'euro mais code électoral bi dafa évoluer ba 2007 ñu def ci benn disposition bu ni ni substitution ni retrait. mais disposition bo bi ñu ci code bi mais dañ ko génne ci yoon waa li nga xamné ne téré terewuma ko man naka ngeen mako mëna téré c'est ce qu'on a demandé application de la loi parce que amul lu nous tere. Mhm. ñu def retrait substitution loolu le conseil constitutionnel rappelé donc devons gëw ma ni faveur la mais nous rappelé parce que le aussi code était euh, processus électoral mais les remplacements les substitutions mais selon des délais bien définis par la loi est-ce que nous devons faire ça en dehors des délais. Mhm. donc il faudrait pas que nous ñu bëgg a Sénégalais yi ni yeewi wi ak benn bokk yaakaar dañu nous